le forum du studio le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio Calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du studio Kalangou. Le thème d'aujourd'hui porte sur les campagnes électorales au Niger, quels sont les interdits et les permis. Comme vous le savez, le 13 décembre 2020, c'est la date prévue pour la tenue des élections locales, suivant les élections présidentielles à euh, premier tour couplées aux législatives pour euh, le 27 décembre prochain. Et traditionnellement, les élections sont toujours euh, précédées par des campagnes électorales. Les campagnes obéissent à certaines règles. Alors, euh, qu'est-ce qu'une campagne électorale Comment faire la campagne électorale Comment battre campagne Qu'est-ce qui est permis ou interdit en campagne électorale Pour répondre à toutes euh, ces questions, nous avons invité Hassan Amidou Bindjo, commissaire à la Commission électorale nationale indépendante à euh, CENI. Adamou Ide, acteur politique, Mohamed Bachar, coordinateur Réseau Espérance, aussi juriste. Je suis Fatih Zakari à la présentation. Dans quelques jours euh, débutera la campagne électorale au Niger pour les élections locales suivies de celles des élections législatives et présidentielles. Les acteurs euh, intervenant dans ce processus euh, sont à peu d'œuvre pour accueillir ce grand rendez-vous entre le politique et les électeurs. Monsieur Mohamed Bachara, vous êtes euh, juriste, coordinateur euh, du réseau Espérance. Qu'est-ce qu'une campagne électorale euh, Merci, Madame Zakari. En vérité, pour parler, comme on dit en français facile, il faut dire que la campagne électorale est la période fixée par la loi pendant laquelle donc les candidats aux différents scrutins exposent et présentent aux électeurs ou aux potentiels électeurs leur programme ou leur projet de société en vue de susciter leur adhésion et donc euh, pour euh, finir par être euh, élu. En fait, c'est ça l'objectif d'une campagne. Donc, elle s'est faite par divers moyens, comme vous le savez, tout en restant encadré par la loi. il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés. C'est communément donc les rencontres avec les électeurs à travers les meetings, à travers les rencontres en aparté, à travers les réunions, les ateliers de formation, etc. En fait, tous les moyens légaux goûts euh, sont mobilisés pour pouvoir susciter l'adhésion au programme du candidat ou à son projet de société. Donc on l'a fait aussi bien en direction de ceux qui sont déjà acquis mhm. que de ceux qui sont des potentiels adhérents pour ce qui concerne les partis politiques, évidemment, ils peuvent s'attendre à ce que tous ceux qui sont de leur parti politique votent pour eux. Mais leur plus grand enjeu, c'est de pouvoir susciter l'adhésion de ceux qui ne sont pas de leur parti politique, d'où la nécessité de faire des tournées à l'intérieur du pays et de diffuser des messages à travers euh, les médias. Quels sont les différents types de campagnes qu'on rencontre en période électorale Pour le cas du Niger, du point de vue légal, on peut identifier à partir de l'article 90, notamment du, code électoral, que on a une campagne pour le référendum qui doit être 14 jours en termes de période et close la 20 veille du scrutin. Mhm. On a 21 jours pour les élections présidentielles et législatives mhm. et qui close la 20 veille du scrutin. Et enfin, on a 10 jours pour les élections locales et qui close l'avant-veille du scrutin, c'est-à-dire euh, chaque fois vous voyez l'avant-veille parce que tout simplement il y a une nécessité de créer une petite rupture entre toute cette période de vacarme politique avec la sérénité du votant, la sérénité du citoyen qui va euh, maintenant, après avoir tout entendu, décider sereinement, donc le dernier jour, pour qui il va voter. Et en toute liberté, parce que le vote doit être libre. Et toute entrave à cette liberté-là est une infraction à la loi. Et qui est autorisé à faire la campagne Mais ceux qui sont autorisés à faire la campagne, évidemment, ce sont les postulants, mhm. euh, tout d'abord. Mais les citoyens aussi qui épousent l'idée du candidat peuvent lui faire la campagne à son nom. Hein? Donc, euh, lorsque vous êtes d'accord avec le projet de société ou le programme d'un candidat, vous pouvez vous-même vous porter volontaire pour distribuer Hein, donc, euh, dans les villages, dans les hameaux, euh, dans les rues, en tout cas, euh, euh ces, pages volt ces, présentations, disons, son programme même en tant que tel. Mais principalement, c'est lui qui est autorisé à faire la campagne dès lors qu'il est déclaré éligible par l'autorité judiciaire, à l'occurrence euh, ici la Cour constitutionnelle, mhm. donc qui valide des candidatures et qui prononce l'éligibilité des candidats. Donc, à partir de cet instant-là, le candidat ne peut attendre que l'ouverture de la campagne. Donc toute campagne en dehors de la période de campagne est une période proscrite, donc elle est interdite par la loi. Merci Monsieur Mahamana Bachara. Je reviens donc vers euh, Asanamidou Amidou Binjo, commissaire à la CENI. Selon donc euh, le chronogramme euh, de la CENI, quelles sont les différentes dates prévues pour les campagnes électorales, début et fin de la campagne électorale de chaque scrutin D'abord, je veux vous remercier de nous avoir invités à ce débat pour que, en tout cas, euh, les citoyens comprennent euh, ce que la CENI est en train de faire depuis que euh, la CENI a été installée au mois d'octobre 2017. Pour ce qui nous concerne dans les préparatifs, le chronogramme avait, en tout cas, programmé, conformément bien sûr aux dispositions de la loi, pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Mm-hmm. La date même du scrutin, c'est prévu pour le 13 décembre 2020. Mm-hmm. Donc vous allez nécessairement avoir donc l'ouverture de la campagne à partir du 2 octobre et ça va être clos deux jours avant le 13. Cela veut dire que le 11 à minuit, mm-hmm. la campagne est close. Pour l'élection du président ou des législatives, la campagne est ouverte le 5 décembre 2020 et elle est close le 25 décembre 2020, étant donné que le scrutin, le jour du scrutin est prévu pour le 27 décembre 2020. Mhm. Et combien de partis se présenteront à ces élections Nous n'avons que aujourd'hui à notre disposition au niveau de la CENI mhm. que l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on nous a transmis et qui parle d'une trentaine de candidats qui vont se présenter pour l'élection présidentielle. Par contre, pour l'élection des députés la Cour n'a même pas fini l'examen des dossiers parce que la Cour a un délai. Pour l'élection des conseillers, c'est maintenant que les tribunaux de grande instance sont en train de sortir les listes des candidats éligibles. Mhm. Pour le moment, au niveau de la CNI, nous ne pouvons pas vous dire exactement les partis qui sont en compétition. On ne peut vous dire que euh, concernant seulement la partie qui mhm. compétissent pour les présidentielles. Monsieur Hassan Bindio, euh, quels sont les critères pour être accepté à faire campagne en période électorale Bon, pour te faire accepter en période électorale, il faut que ta candidature du candidat soit acceptée par la Cour qui est, indiquée, si c'est la Cour constitutionnelle. Il faut être d'abord, être, il faut que la, candidature soit validée par la Cour constitutionnelle. Mm-hmm. Et pour les autres, en, l'occurrence, euh, les conseillers euh, régionaux et municipaux là, ça, c'est les tribunaux de grande instance. Par contre, pour les députés, c'est toujours la Cour constitutionnelle. Merci, M. Hassan Amidou. Je reviens vers euh, l'acteur euh, politique Adam Idé. Vous vous apprêtez à aller en campagne électorale euh, dans quelques jours. Peut-on dire que tout est fin prêt pour être au rendez-vous Merci, madame. À tout seigneur, tout honneur, permettez-moi tout d'abord de remercier votre studio pour nous avoir invités à ce débat et éclairer éventuellement les lanternes de nos auditeurs. Je pense que, eh, en tant que parti politique, eh, j'aimerais dire que eh, notre candidat, de toute façon, est déclaré éligible par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'à partir de là, nous sommes déjà dans le prêt. Donc, comme vous l'avez dit, que nous sommes prêts. Mais j'aimerais ajouter un peu de l'eau au moulin de mes co-débatteurs qui ont clairement, n'est-ce pas, expliqué, éventuellement le juriste, ce que c'est qu'une campagne. Il faut que tout le monde sache qu'une campagne est bien encadrée par la loi. Donc, la nécessité s'impose à tout parti politique et à tout candidat indépendant de bien comprendre les textes, en l'occurrence la Constitution, le Code électoral et la Charte des partis politiques. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire est encadré par ces lois. Quand c'est le financement, vous n'êtes pas sans savoir, nous avons fait le débat ici, c'est la Charte des partis politiques qui l'encadre. Quand c'est le déroulement de la campagne, c'est éventuellement le Code électoral qui l'encadre. C'est pour cette raison que je voudrais dire que nous osons espérer au Niger que nous allons rentrer dans une phase de campagne apaisée, où il faut proscrire, vous l'avez dit, tout ce que la loi a proscrit, notamment l'ethnocentrisme, le régionalisme et tout ce que cela comporte, n'est-ce pas, comme euh, mauvais comportement. Donc, je vais vous dire que ce qui n'est pas bon, c'est on parle trop de mhm. pré-campagne. Oui. Mais est-ce que éventuellement, madame, et je parle en présence d'un juriste, est-ce que la loi en tant que telle a pris des dispositions pour dire voilà un délai pour la pré-campagne Oui, monsieur Adam Idé, avant d'arriver à cette euh, question, comment votre euh, structure euh, politique compte préparer ces campagnes électorales personnellement, j'ai dit que euh, nous avons une culture de la campagne. Et j'ai écouté récemment le président de la République, quand il est parti retirer sa carte d'électeur, il dit qu'il invite les candidats ou il invite les acteurs politiques à battre campagne en s'appuyant éventuellement sur les programmes. Programme contre programme, projet contre projet. Ce qui est important, dans une campagne, ce qu'il faut développer en masse, c'est le programme du parti. Qu'il soit un programme quinquennal, décennal, n'est-ce pas mhm. C'est le développement du programme qu'il faut expliquer. Mhm. Mais ce n'est pas souvent ce que nous constatons. Monsieur Adam euh, quels sont les actes euh, qu'il ne faut pas poser en période de campagne effectivement, je crois que tout à l'heure, quand vous avez bien écouté le juriste dans son intervention gros format, parce que je peux l'appeler comme ça, il en a un peu effleuré. J'ai dit qu'il ne faut pas euh, faire partie, il ne faut pas essayer de mhm. s'apaisantir ou de parler de l'ethnocentrisme, ou il faut parler du régionalisme, ou il faut parler de certaines choses à bannir. Nous entamons donc à présent le deuxième chapitre de ce forum consacré à comment battre campagne. Monsieur Hassan Amidou Binjo, commissaire à la CENI, quel est le rôle que joue la CENI en période de campagne électorale euh, Je voudrais d'abord euh, rappeler, parce que euh, l'opinion avait pensé que la CENI pouvait intervenir avant l'ouverture de la campagne. Il faut que ça soit clair dans les esprits en tout cas de nos concitoyens. La CENI n'a pas ce rôle de contrôle avant l'ouverture de la campagne. Il y a des structures qui sont concernées. Il y a le ministère en charge des élections et il y a le CSC qui sont concernés. En ce qui concerne la CENI, c'est à partir de l'ouverture de la campagne que la CENI maintenant est responsable maintenant de l'encadrement de la campagne. Et il est dit que euh, il y a les articles du code électoral qui le cite, qui le dit, et il est cité ici, je veux vous le dire, l'article 95, l'article 96 et 97 du code électoral. Il y a un certain nombre de comportements que on ne doit pas avoir pendant la campagne. Et ça, la CENI y veillera à ça, pour faire respecter en tout cas euh, la campagne et que la campagne soit apaisée et que euh, chacun puisse vraiment battre campagne comme l'a prévu euh, la loi électorale. Maintenant, nous, à notre niveau, au niveau de la CENI, nous veillerons en tout cas à ce que tous ceux qui sont en compétition puissent vraiment rester dans le cadre égal, comme l'a cité le Code électoral, pour pouvoir vraiment mener, battre leur campagne. Mhm. Oui, M. Euh, Monsieur Hassan Bigno, quels sont les moyens mis en place par la CENI pour assurer le déroulement de la campagne Le rôle de la, CENI au niveau euh, de cet aspect-là, c'est simplement de veiller. Nous, nous allons préparer plutôt les scrutins. Mhm. Il faut qu'on prépare les scrutins. Mhm. Maintenant, euh, les moyens mis à la disposition, ça, ça concerne les formations politiques qui sont en train de vouloir exposer, bien sûr, leur programme au niveau justement des électeurs pour mhm. pouvoir avoir l'adhésion euh, de ces électeurs. Nous, en tant que CENI, nous sommes neutres. Nous ne pouvons pas, en tout cas, rentrer dans cet aspect-là pour pouvoir dire que telle, telle formation ou telle non, la CENI, elle est neutre. Elle doit simplement, son rôle, c'est d'organiser des élections libres, transparentes, apaisées, acceptées de tout le monde. <laughs> Adam Idé, vous serez en campagne électorale à partir de ce 5 décembre 2020. Disposez-vous de moyens insuffisants pour battre la campagne Avant, avant, avant de répondre à votre question, vraiment, je voudrais un peu mhm. réagir mhm sur euh, l'intervention du commissaire. Parce que euh, dire que la CENI ne doit pas intervenir avant la campagne, euh, je peux être d'accord avec lui ou ne pas être d'accord avec lui. Parce que la gardienne même du code électoral, la gardienne principale, c'est la CENI. Des pré-campagnes, puisque c'est proscrit certains comportements, lorsque nous constatons ou lorsqu'on constate qu'il y a dérive il y a abus, je crois qu'avec des preuves, on peut prendre des preuves et les signaler à la CENI. Et en ce temps-là, je crois que la CENI peut intervenir. Et je ne leur apprends pas leur rôle, mais la question, même la neutralité, moi je pense que notre CENI, mm. on ne parle pas de neutralité, notre CENI c'est une CENI indépendante. Moi je pense qu'il fallait dire que la CENI est indépendante la neutralité, c'est autre chose. Mais l'indépendance, c'est ce qui est écrit. Mhm. En tant qu'organe indépendant qui veille sur l'organisation des élections, et c'est l'organisation de toutes les élections, la pré-campagne s'il y a, la campagne et après la campagne. Ils vont gérer toutes ces situations. Mhm. Je crois que quand le citoyen aura constaté des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas conformes à la loi, mhm. je crois que les citoyens peuvent tenir saisir la CENI. En dehors de, des textes, on dit le CSC et le ministère de l'Intérieur. Moi, je crois que l'acteur principal en matière électorale, c'est la CENI. Mm-hmm. Mais, mais la CENI ne peut pas intervenir sans preuve. Quand il me dit ça, je suis d'accord. Mais quand il y a des preuves qui sont là justifiables, en ce moment, la CENI peut intervenir. Non, je n'ai pas fini, madame, parce que au moment de l'enrôlement, mm-hmm on a constaté certaines choses. On a saisi la CENI, mais la CENI a arrangé ça, la CENI a intervenu. Dès qu'il y a des dérives, dès qu'il y a des choses, on peut très bien, avec preuve, mm. saisir la CENI. À présent, je donne la parole à M. Hassan Bingo. M. Hassan, vous avez des réactions Oui, non, je voudrais simplement vraiment recadrer les choses parce qu'il mm. faut que ça soit clair. Et quand nous disons que pendant la pré-campagne, la CENI n'a pas en tout cas d'objection à faire, mm. ça, ce n'est pas le rôle de la CENI, je vous dis. Parce que nulle part dans les textes, il est dit que la CENI doit intervenir. Et je vous ai dit ceux qui sont concernés, ceux qui doivent, les qui doivent intervenir dans ça. Et il est clair, il est dit que il y a le ministère en charge et le CSC qui doit rappeler les formations politiques à l'ordre. Lorsque nous, nous allons être maintenant, lorsque euh, actuellement le collège, électoral est convoqué et la campagne va être ouverte très bientôt, en ce moment, la CENI prend la responsabilité, la responsabilité de justement de, veiller à ce que les la campagne des formations politiques ou des candidats en compétition se fasse dans la quiétude. C'est ça l'indépendance, c'est ça justement l'indépendance. La neutralité, nous ne pouvons pas, nous, dire que telle forme nous allons dire à telle formation ou telle formation de faire cela ou de ne pas le faire, mais nous allons les ramener à l'ordre. Lorsque, lorsque là, c'est au moment de la campagne. Et lorsque, lorsque nous constatons qu'il y a des abus, parce que la loi a cadré ça. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore en campagne. Nous ne pouvons que observer maintenant ceux qui sont chargés justement de, de, de, mettre de l'ordre. C'est à eux de prendre cette responsabilité, mais, pas la CENI. Monsieur Mamana Bachar, <laughs> Comment faut-il trancher entre donc euh, Les textes sont, clairs. Si vous parlez de la campagne, évidemment, c'est le ministère de l'Intérieur et, euh, le Conseil supérieur de la communication qui sont chargés euh, justement de l'application correcte, en tout cas, de tous les dispositifs relatifs à la campagne, mhm. notamment la campagne avant campagne. Mhm. Ça, c'est eux qui doivent stopper cela, mhm. parce que il y a, il a été constaté quand même, et c'est évident, qu'il y a de, des, leaders, des partis politiques ou des candidats et qui, sous le couvert d'une euh, euh, visite de proximité de leurs militants, font quand même une campagne. Et, or, les dispositifs tels qu'il est, les rencontres avec ces militants-là, c'est fait de manière publique à travers des meetings, avec des couvertures médiatiques, avec des appels mhm. au, vote. Et je pense qu'on est bien dans un contexte euh, de campagne électorale. Et or, cette campagne électorale-là n'est pas ouverte. Euh, donc, il appartient au ministère de l'Intérieur et au Conseil supérieur de la communication euh, vraiment de mm. jouer pleinement leur rôle en cette matière-là pour euh, interpeller les différents euh, contrevenants que en fait nous ne sommes pas encore en période oui, de, oui monsieur Bachara que mm. prévoient euh, les tests dans ce cas les articles 90 91 qui définissent d'abord ce que c'est une campagne la mm-hmm. période de cette campagne et disent exactement donc, quelles sont les autorités en charge justement de faire respecter ces dispositifs-là Et ces dispositifs-là, euh, c'est notamment le respect de l'ouverture, de la date d'ouverture de la campagne. C'est-à-dire, euh, la campagne ne peut se faire que lorsque euh, donc euh, le collège électoral est convoqué lorsque la campagne elle-même est ouverte et on a précisé pour les délais que pour ce qui concerne les référendums c'est 14 jours et clos l'avant-veille du scrutin. Pour les présidentielles c'est 21 jours et les législatives d'ailleurs c'est 21 jours et close l'avant-veille et pour les locales c'est 10 jours et close l'avant-veille. Donc c'est cette période-là qu'il faut respecter. En dehors de cette période, tout regroupement avec euh, euh, comme objectif de susciter l'adhésion des citoyens pour ou contre un candidat est assimilé à une campagne électorale. Même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne lui donnent pas le nom, elle a ce, euh, corpus-là puisque la loi les définit comme tel. Donc, il y a lieu à ce que les candidats quand même puisse avoir un minimum de respect vis-à-vis des lois de la République et aux institutions mm. concernées de pouvoir vraiment jouer pleinement leur rôle parce que, à l'occurrence ici, les citoyens sont très surpris quand elle voit que cela ne fait même pas l'objet d'interpellation. Oui. Hein? monsieur le juriste, euh, donc, euh, ce genre de comportement, quelles peine donc euh, peuvent encourir les acteurs politiques Ah, là, c'est une question très intéressante. Et malheureusement, en cette matière, la loi n'était pas allée loin au-delà de ce qui est euh, proscrit en mhm. juste en ce qui concerne la période. Mais en ce qui concerne les autres infractions, il peut y avoir des poursuites pénales. Par exemple, les appels à des haines, à des comportements particularistes, à toutes les contre-valeurs que mhm. nous connaissons, c'est-à-dire l'ethnocentrisme, le régionalisme, etc., etc. Ça peut donner lieu à des poursuites judiciaires, mhm. effectivement, parce que ça constitue des infractions qui sont identifiées Hein? et donc est puni par la loi fondamentale elle-même, c'est-à-dire la Constitution, en dehors de toute autre disposition même. Et donc, euh, les, candidats contrevenants et euh, peuvent euh, faire face à la rigueur de la loi mhm. lorsqu'ils posent ces actes. S'il y a des enregistrements, s'il y a des photos, s'il y a des témoins, donc devant lesquels ces comportements-là sont posés, il leur suffit juste de porter à la connaissance des juridictions compétentes mhm. pour connaître l'affaire. Mhm. Mais comme vous le savez, en matière politique, il y a toujours les dispositions légales qui sont là mais l'enjeu le plus important est d'amener les institutions à pouvoir réellement jouer ce rôle-là et à pouvoir euh, connaître et sanctionner ces, ces, types de comportements-là. Mhm. On entend des visites, euh, on entend des dons qui n'ont jamais été euh, faits. Oui, Maman pas qu'est-ce qu'il faut interdire en période de campagne électorale Ce qu'il faut interdire en période électorale, c'est beaucoup de choses. Mais on peut les serrer en deux ou trois catégories. La première catégorie, c'est l'avant, mm. scrutin. La deuxième catégorie, c'est le pendant le scrutin. Mhm. Et la troisième catégorie, c'est l'après-scrutin. Mhm. Et tout cela est encadré par la loi selon des séries, en tout cas d'hierarchies aussi, qui sont définies en termes de type d'infraction et les sanctions y afférentes. Mhm. Et si on va sur la pré-campagne, c'est-à-dire l'avant-campagne, il est évident que même la constitution du fonds nécessaire pour faire une campagne électorale est encadrée par la loi. Vous ne pouvez pas recevoir à partir d'un certain montant qui n'est pas d'abord déclaré au niveau donc du trésor public, c'est-à-dire au niveau y compris de la CENI, puisque votre fonds de campagne doit être déclaré. C'est un budget public. Vous le faites, vous le communiquez aux services compétents qui le constatent et vous menez votre campagne sur la base de euh, ce euh, budget-là. Quel est le parti aujourd'hui dans ce pays-là qui le fait vous avez l'impression que en fait les frais de campagne se, euh, euh, confondent même avec la poche du, mhm. candidat lui-même, hein, du leader lui-même. Vous entendez du don, vous entendez de, de, gratification, mais vous ne savez jamais la source. Mhm. Et or, la loi, quand elle prévoit l'encadrement, c'est pour éviter que des candidats aillent à l'extérieur mhm. prendre de l'argent d'autrui avec des engagements de faire ou de ne pas faire quelque chose s'ils arrivent au pouvoir. La loi aussi interdit qu'à partir d'une certaine quantité, un individu ne peut pas financer une campagne électorale, c'est-à-dire le parti doit lui-même avoir un budget sur la base des cotisations de ses membres. Oui, hein? monsieur. Donc, c'est la portion. Nous allons à présent écouter <laughs> euh, monsieur eh pas fini. De la CENI, euh, <laughs> monsieur Bingo. Quel autre acte euh, il ne faut pas donc poser en période de campagne électorale En période de campagne, vous savez, la loi vraiment a tout cadré. Au niveau de l'article 95, mhm. il est dit que les propagandes, les, les affiches, les harangues, les trucs à caractère religieux, tout ça c'est interdit. Et même les injures, les trucs mm. diffamatoires à mm. l'endroit d'un candidat, tout ça c'est interdit. Mm. On dit aussi que la violence sur les voies publiques de fait, la fraude, la distribution euh, d'argent, euh, la corruption, tout ça c'est interdit. Et il est interdit aussi d'utiliser les moyens de l'État pour aller battre campagne. Tout ça, c'est interdit. Donc, je vous dis que, au niveau de ces articles, la loi a bien cadré ça. Nous allons y veiller. Et euh, les autres, les structures qui sont concernées en même temps aussi verront veilleront pour que vraiment ça soit respecté. Et, mieux, certaines catégories de, de, personnel administratif sont interdits même de faire des déplacements en période électorale, mhm. à moins qu'ils ne soient euh, à, chose euh, en congé ou, ou qu'ils aient pris une disponibilité. C'est-à-dire, c'est le cas des DG, des PCA mhm. et autres. Ils ne peuvent pas, hein, sous prétexte des missions, donc liées à leur fonction, euh, euh, faire des en, en cette période électorale-là. Adam euh, quelles sont vos réactions Ça ne peut être que leur réaction, puisque la loi, je ne peux pas dire ce que la loi n'a pas encadré. Mm. C'est bien sûr, ils ont dit ce que la loi a encadré. Et je crois que si nous respectons, parce que le problème, c'est le, respect des dispositions des lois au mm. Niger. Nous avons l'habitude des bonnes lois. C'est connu, le Niger est reconnu comme ça. Mais est-ce que les lois nigériennes sont respectées dans leur applicabilité Et c'est ça le problème. Tout à l'heure, euh, je pense il a parlé de fraude. Mais même la pré-campagne, <laughs> je crois, est une fraude. Ça veut dire que avant même les élections, la fraude a commencé. Parce que quand vous partez en campagne, ce que la loi n'a pas prévu, si nous, nous le faisons, c'est pas bon. Tout celui qui le fait, c'est pas bon. Mais par tricherie, vous voyez, tout le monde, comme l'a dit Bachar, est en train de le faire. Parce que quelqu'un a donné l'exemple. Donc, au lieu de venir pleurnicher, je pense que les autres aussi ont suivi. Et là, c'est très grave. Ce n'est pas bon parce que il faudrait, c'est les, acteurs politiques qui sont appelés eux-mêmes à respecter la loi. Parce que s'ils ne respectent pas, demain, ils vont venir au pouvoir. Est-ce qu'ils vont dire aux autres de ne pas euh, la, loi est à leur disposition. Donc voilà des, des, problèmes que nous soulevons. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont sur le qui-vive par rapport à la fraude. Tout le monde est sur le qui-vive par rapport à la fraude. Au Niger, ces derniers temps, les dernières élections que nous constatons sont trop émaillées de fraude. Il faut le dire, effectivement. Donc, nous allons inviter les Nigériens, pas seulement les acteurs politiques, à tout le monde de se tenir prêt pour dénoncer les cas de fraude. Qu'en pensez-vous donc à de l'accès équitable aux médias publics et privés au Niger pendant les, campagnes électorales Je vous dis, que je suis déçu de ça. J'ai été acteur dans ce sens. Mm. J'ai été, n'est-ce pas, responsable de la communication de mon parti en 2016. Et j'ai été très très déçu de l'accès équitable. Il n'y a pas d'accès équitable. C'est faux. on le dit. parce que tout simplement, il y a des partis qui sont privilégiés mhm. par rapport à, d'autres. Sous des fallacieux prétextes que peut-être ils ont financé, ils ont l'argent, ils ont financé un sport, ils ont financé ceci, ils ont financé cela. Mhm. Et c'est eux qu'on voit partout. On ne voit pas les autres partis. Vraiment, comme a dit le juriste, la loi a tout encadré. La CENI doit veiller le CSC doit veiller, le, le ministère de l'Intérieur doit veiller, parce que aujourd'hui, tout le monde, si c'est les, les, les, internationaux qui viennent au Niger pour une réunion, on parle de, de, de, campagne apaisée. Oui, monsieur Adam. Attends, de campagne apaisée. Mais comment peut-on être apaisé si certains font des abus L'accès donc aux médias publics, euh, c'est équitable, non Non. <laughs> Les médias publics et les médias privés ont le même temps. C'est une situation que j'ai gérée, on le dit sur papier. On le dit sur les langues, mm. on le dit sur les lèvres, mais pratiquement, c'est n'est pas, pas vrai. J'ai dit que j'ai géré. Dans le public ou dans le privé Bon, peut-être bon chez vous, chez vous là, c'est normal parce que chez vous, nous allons venir payer. Mais quand c'est les médias de l'État, nous sommes déçus. Vraiment, il n'y a pas d'équitable. Je crois que le CSC e est en train de m'attendre, m'entendre. Je dis que moi, j'ai été acteur, j'ai géré ça en 2016. Monsieur Adam, il dit on ne paye pas. bon, dans tous les cas, ah, c'est bien. Là, <laughs> comme vous avez commencé aujourd'hui ces débat débats-là, je crois que vous allez le faire par semaine. Nous, ne nous, sommes prêts. oui, justement, ça, c'est vous. Mm. C'est vous et surtout que vous êtes un grand partenaire parce que vous avez combien de radios au niveau de l'intérieur qui nous entendent. Ça, c'est une très bonne chose. Et vous avez aussi des télépartenaires. Vraiment, nous, moi, j'ai toujours fait. Je suis partenaire de, de Kalangou depuis 2016. Depuis 2016, je suis partenaire de Kalangou. Je sais qu'on ne paie pas. Donc, euh, franchement, l'accès équitable, c'est écrit sur papier, Monsieur Bachar. C'est écrit noir sur blanc sur papier. Mais dans la pratique, il y a toujours des faveurs en faveur d'autres. Et ça, si le CC nous entend, qu'il prennent les dispositions pour être neutre. C'est là la neutralité. Vous, vous êtes indépendant. Mais le CSC, lui, il doit être neutre. Neutre. Vous, c'est le terme indépendant qui est écrit. Mais la neutralité, c'est au niveau du CSC qu'il faut l'observer. Oui. Monsieur Hassan Binjo, oui. qu'en pensez-vous donc euh, de l'accès équitable aux médias publics et privés au Niger en période Vous savez, au niveau de la CENI... Euh, Comment doit-il être nous, nous, c'est notre, en tout cas, euh, au niveau de la CENI, ce que mm. nous pouvons dire, l'accès aux médias doit être équitable. Mm. Et ça, il y a un organe qui est là, qui est chargé de cela, qui est le CSC. Nous, au niveau de la CENI, nous ne pouvons nous immixer justement sur le rôle du CSC. La CENI ne peut que notifier mm. pendant la campagne, pendant la campagne, je dis bien pendant la campagne, la CENI ne peut que notifier et appeler, et rappeler les candidats ou les formations politiques à l'ordre à travers bien sûr l'organe qui est censé justement contrôler et réguler justement l'accès équitable aux médias. Pour les privés, ça, vous le savez, les formations politiques, ils paient leur, euh, leur, justement leurs prestations. Mais par contre, pour euh, l'accès euh, au niveau aux, médias publics, ça aussi, je crois qu'au niveau de l'organe qui est concerné, ils sont en train de prendre les dispositions pour que les formations politiques ou les candidats en compétition puissent avoir un excès équitable. Mais nous, au niveau de la CENI, c'est rappeler à l'ordre quand nous constatons justement des dérives. Monsieur Hassan, eh, autant pour moi, Mohamed Bachar, vous êtes juriste. Est-ce qu'un candidat peut porter plainte euh, lorsqu'il n'a pas donc euh, l'accès équitable aux médias euh, Évidemment, il y a des dispositions légales à, à, la matière qui sont, qui sont prévues. Quand on regarde de près, en fait, ces niveaux de couverture-là, mm. évidemment, on peut se rendre à l'évidence qu'il y a un certain nombre de partis qui se payent la part belle, en, tout cas en, termes de présence sur les médias. Mais quand on se rapproche du Conseil supérieur de la communication, on voit que, en fait, euh, c'est une question qui peut être corrigée par les partis politiques eux-mêmes. Puisque quand on écoute le CSC, en fait, l'explication, c'est de dire que, en fait, tous les partis politiques, les associations, les syndicats, donc, qui tiennent régulièrement, donc, leurs assises, peuvent faire une demande, donc, 72 heures avant, donc, la tenue de l'activité, et cette activité-là sera couverte gratuitement. Or, il se trouve que certains partis politiques donc euh, ayant peut-être un peu plus de, moyens, contournent cette euh, contrainte-là pour payer. C'est-à-dire, ils passent leur élément sous le couvert de public reportage. Donc, c'est un élément payé, c'est une commande qui n'est pas dans le cadre donc de la couverture gratuite. Voilà un peu les choses pour un peu mieux être juste à ce niveau-là, ce qu'il faut euh, dire. Est-ce que les autres parties eux aussi, ils font les mêmes demandes et demandent mhm. également à ceux qu'ils bénéficient euh, de ce qu'ils appellent là-bas euh, donc euh, public reportage. Donc si c'est le cas et qu'ils ont amené leur argent, on a refusé, là ils peuvent évidemment estimer qu'il y a une inégalité de traitement devant le service public. Mais toujours mhm. est-il que pour le CSC, e, mhm. jusque-là, toutes les activités publiques, que ce soit des partis politiques, des associations et syndicats, ils sont couverts gratuitement dès lors que ça concerne l'investiture de candidats, ça concerne le congrès, ça concerne euh, les, assemblées générales, etc. Les activités publiques de ces, structures associatives-là sont couvertes gratuitement. <laughs> Maintenant, ceux qui veulent avoir un plus, évidemment, puisque c'est eux qui ont les sous avec eux, ils, passent euh, par le canal de ce qu'ils appellent euh, public reportage pour être plus présents sur, le média. Donc maintenant, c'est de faire. Oui, les publics reportages, c'est permis les publics reportages, c'est permis puisque mhm. c'est payant. Hein, mhm. C'est payant, vous venez, vous dites que non, je veux acheter une plage de 30 minutes. Oui, <laughs> monsieur, <laughs> monsieur euh, Bachar, euh, euh, nous allons donc terminer avec euh, quels sont les messages qu'il ne faut pas véhiculer en période de campagne électorale. Les messages qu'il ne faut pas véhiculer, euh, ils sont nombreux ces messages-là, mais principalement c'est les messages appelant à la haine, euh, au, racisme, à l'ethnocentrisme, au régionalisme, à l'esprit des clans, à l'esprit féodal, etc., qui sont déjà euh, proscrits dans la Constitution. Et en plus, donc, les violences, toutes les formes de violences, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, il faut éviter aussi des poser des actes de violence pendant la période électorale parce que c'est susceptible d'être connu par euh, un tribunal et être jugé parce que c'est des infractions à la loi. Oui, sur quoi donc euh, les messages doivent-ils porter Les messages doivent euh, se porter essentiellement sur le projet, oh. sur le programme, oh. sur aussi les intentions oh. des candidats sur la base desquelles ils demandent donc aux adhérents ou aux votants mm-hmm. de pouvoir voter en sa faveur pour la mise en œuvre justement de ces programmes-là. Et comme vous le savez, le rôle essentiel des partis politiques, à la différence des associations, c'est de concourir donc à, l'expression des suffrages à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Donc dans ce cadre-là, évidemment, tout ce que le parti doit dérouler à l'occasion de sa campagne, c'est effectivement le contenu et les différents axes de son mm. programme et il euh, fait ressortir les éléments de distinction, euh, les, éléments de différenciation, les innovations qu'il apporte par rapport mhm. aux solutions qu'il apporte aux problèmes qu'il a constatés au niveau du pays ou au niveau régional ou au niveau international. C'est ça un parti politique. Merci, Monsieur Mohamed Bachar. <laughs> Une dernière question pour euh, clôturer ce forum. Monsieur euh, Hassan Binjo, quelles sont donc euh, vos <laughs> suggestions et vos propositions donc pour une meilleure campagne électorale Je lance un appel d'abord à vous, justement les médias, parce que rappelez-vous que la CENI a eu organisé à un moment donné euh, une formation à l'attention justement des médias, uh-huh. euh, en période surtout en période électorale, quel va être leur comportement. Uh-huh. Et nous lançons, nous, nous lançons encore l'appel là pour que euh, justement les médias contribuent parce que les médias aussi, c'est un des éléments qui peut vraiment amener à déstabiliser la campagne. Uh-huh. Alors nous souhaitons en tout cas à ce que les médias soient justes et que les médias en tout cas soit, c'est ce qu'on le dit par le, terme, mhm. vous devez être neutre. Mhm. en tout cas, éviter d'être euh, entraîné, éviter d'être hein. euh, entraîné par euh, un candidat ou une, mhm. une, formation politique en utilisant les moyens, bien sûr. Alors, nous avons dit pendant la formation, je rappelle ça que les médias doivent vraiment essayer d'une manière ou d'une autre à concourir à ce que la campagne soit apaisée, avec bien sûr votre concours, les médias. Euh, ce que nous voulons justement de ces formations politiques et de ces candidats, nous voulons que chacun, en tout cas dans la limite justement euh, de, ce que dit la loi, reste dans le cadre de la loi et qu'ils battent leur campagne sans violence, sans corruption, sans en tout cas signe de, foi religieux parce que il y a tous ces caractères-là. Il ne faut pas aussi utiliser les moyens de l'État. Nous, nous avons justement ce droit de regard. C'est à la CENI de veiller à ça les emblèmes, les, affiches, tout ça, nous allons les encadrer. Et les statuts. des, personnes. tout ça, nous allons les encadrer. Et nous souhaiterons à ce que, en tout cas, tous les candidats et les formations en compétition, les candidats indépendants, en tout cas, puissent respecter la réglementation pour le bonheur du pays. Merci, M. Assambingio Adamou euh, pour euh, finir, euh, quelles sont vos propositions et suggestions pour euh, une campagne électorale Tout à l'heure, vous avez évoqué une de mes propositions. C'est l'accès équitable, vraiment des partis politiques, aux médias d'État. Je voudrais dire médias d'État, je ne mhm. parle pas de privé. Nous, nous voulons vraiment une campagne très apaisée. Et c'est pourquoi votre question sur ce qu'il faut faire le président l'a dit, c'est les programmes contre programmes, les projets contre projets et les portraits positifs de nos candidats. Parce que tout le monde va développer le portrait positif de son candidat. C'est parce que nous sommes dans un système, dans, dans presque un marchandage. Nous cherchons les voix des gens et il faut que nous fassions en sorte que notre candidat soit des meilleurs dans nos langages. Mais il faut bannir les actes de violence. Il faut bannir ce que la loi bannit et je crois que mes co-débatteurs l'ont dit, je suis de leur avis. Monsieur Amman euh, Amaman Bachar oui. oui, en fait, euh, madame, vous-même, vous le savez, et le, grand problème ici, c'est la violation de la loi par ceux qui sont normalement censés protéger mm. les lois et à l'occurrence ici les partis politiques qui ont provocation de gouverner. Hmm. Et vous savez, c'est le gouvernement qui conduit et détermine la politique de la nation. Si maintenant ceux qui aspirent justement à prendre le pouvoir et à les gérer, eux-mêmes ne donnent pas le bon exemple, vous voyez bien que ça donne euh, euh, la place à toute une chienlit, puisque euh, finalement les citoyens ne se sentent pas obligés de respecter la loi. Donc, c'est aux acteurs politiques, précisément, de faire cet effort-là. C'est-à-dire de ne pas crier que telle chose est interdite, mais quand vous avez l'occasion de la faire, vous, vous la faites. Puisque, en fait, et tout ce que nous dénonçons là, quand vous les prenez individuellement pris, chaque parti, là où il est dominant, il, applique ses contre-valeurs là pour s'imposer. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Et, donc, c'est pour ça que la charte de parti politique encadre justement le comportement des acteurs politiques. Et cet encadrement-là doit être d'abord une acceptation morale. C'est-à-dire, moi, en tant qu'acteur politique, je m'engage à ne pas faire telle, telle, telle, telle chose. Tant que ce n'est pas comme cela que ça se pose, ça sera difficile, de mon point de vue, à un moment de brouhaha comme celui des campagnes électorales, de trouver même suffisamment de forces de l'ordre pour pouvoir appréhender les, auteurs ou les euh, co-auteurs de ces infractions, notamment les faits corruptifs, hein, la distribution de l'argent à l'occasion des élections. Et ça, c'est une grave infraction et pourtant, tous les partis, lorsqu'ils sont coincés, ils euh, l'utilisent. Hein. donc, euh, et, l'utilisation des contre-valeurs, tout ça là, c'est des choses qu'il faut combattre à son propre niveau avant de les dénoncer auprès de l'autre. Que nous terminons ce forum euh, sur donc euh, les campagnes électorales, euh, ce qui est permis ou interdit. Nous avons échangé sur les actes qu'il faut poser en période électorale et qu'il faut aussi éviter pour une meilleure campagne électorale au Niger. Nous étions en compagnie de M. Hassan Amidou Bindio, commissaire à la Commission électorale nationale indépendante CENI, euh, M. Adamou Ide, acteur euh, politique, euh, et le juriste Mohamed Bachar, coordinateur réseau Espérance. Merci donc à tous nos invités d'être donc avec nous dans ce forum. J'étais donc Fatih Zakari à la présentation. La régie est assurée par Amin Hassan. Hassan e la régie vidéo Adama Dawachi.